Alah. lah?

Bonsoir. Albara. On dit quoi Vous allez bien C'est bon Et la fatigue Alhamdulillah. Et tout ce temps Ina Alou. Le grand journaliste sportif. Bon, pas un grand, juste un simple journaliste sportif. Avec l'infatigable caméraman de l'ORT. C'est mon petit. petit, quoi. ana ilimin imbarci ya musamman nomar da baiti da za su bana wanda ba su ba ina kaza ne alaikum salam bere zai dirkwe ni man kan dai barjo igin wono ka eh si zai dirkwe si zai dirkwe gida ah. olipa ça va vous allez bien La dame là qui s'occupe des badges. Il n'y a pas de souci. Imagine 30 Ok, ok. On en a même pris des badges. Ça, c'est le grand frère euh, Yengare Mega, le grand journaliste de l'ORT. Pour ceux qui ne connaissaient pas, je dois dire quelque chose Oui, bien sûr. Quels sont vos pressentiments par rapport à, à cette 42e édition Oh, il faut tout simplement dire que là, euh, il en train d'organiser un grand événement, l'événement de cette 42e émission. à Yahweh qui constitue vraiment euh, la lutte qui constitue le sport le plus populaire ici au Niger. Donc euh, toutes les régions se sont réunies. Nous ministère de la Jeunesse et des Sports, hein. nous sommes en train de nos ateliers pour que cela soit vraiment une véritable réussite. En tout cas, de plusieurs, euh, on a eu des combats participants et ça va se poursuivre pendant 10 jours. Et nous prierons à ce que vraiment cette édition soit euh, une parfaite réussite et que ceux qui ont fait le déplacement de Yamé puissent retourner à la maison en bonne santé et que nous puissions avoir en tout cas un vainqueur qui aura mérité ce sable national. Merci. Merci. organisé les producteurs, les institutions du micro-village, l'agro-industrie et l'agro-business, les structures d'accompagnement. qui vous êtes Dans un souci de diversification et de prévention des risques, Covaria nous offrons tous les produits de banque classique. Ça, c'est la batterie, la banque agricole du Niger la soirée revient à Bagri. C'est monsieur aussi qui est de la banque Bagri, les agents, les sponsors, les hôtesses Bagri qui sont dans l'air de combat avec nous ce soir. Vous avez en face de vous le gouverneur de la région de Niamey, euh, le président de la FENUD. monsieur le directeur général. barau wanzan barau wanzan zirka ke ana da mashi barau Merci pour ceux-là qui continuent de mettre les cœurs. Ça, ça, ça, ça rassure. Merci beaucoup pour les cœurs. Un big up à nos forces de défense et de sécurité pour les efforts. Merci pour les cœurs. En tout cas, ça m'encourage. da jihar nima babban tsuntsu na kudin sama zurin tohai mai canje muna kaji kullum babu abin da suka yi sai karya sun yi sake zakara ya girma Merci de continuer à mettre les cas. Oh.

toutes mes salutations. Nous vous rappelons que dans un instant, ce sera le combat entre euh, Niamey et Maradi. Une banque universelle. Donc, euh, corps au fond vert dans l'espace Lyoma. Ça, c'est la Magri. Banque agricole du Niger. Merci, bro. Merci, DJ Mekinga, alias Ibrahim Amidou. Là, nous sommes, c'est le staff de Sagolo. صار لالي سقولوا يسو طبعا طبعا kali muna kara tuna muku marisau wannan ta bagri ne bank agricole niger Bro, Bro, bro, bro ရှင်တယောက် S'il vous plaît, continuez à partager la vidéo pour permettre aux autres aussi de suivre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sont sur l'agence de communication. Donc vous voyez, si vous partagez, ça permettrait à vos amis aussi de nous suivre. Merci. que ce, ce, combat, c'est un combat pour la sélection, les sélections de, la CDAO. Dans un instant, ce sera le combat tant attendu entre Niamey et, et Maradi. Combat, hein? tu sais c'est lui qui va tirer Tu sais c'est lui qui va tirer. non Quand je prends le combat ici, moi je fais juste allusion au combat Maradi Niamey. Ah, ah, oui. na ɗauko garba abin bawuru Merci de continuer de partager cette vidéo. Merci. Et mettez le cœur parce qu'en mettant le cœur, vous mettez la vidéo à l'abri de toutes les signalisations. Voilà pourquoi on demande à nos abonnés de mettre le cœur. Quand vous mettez le cœur, ça veut dire que vous donnez la chance au direct de continuer et, et faire face à toutes les tantamars, à toutes les signalisations. Merci. le premier combat entre Niamey et Maradou. à nos 500 amis qui sont actuellement connectés. Nous vous remercions pour votre fidélité. Surtout, surtout, continuez à partager pour que vos amis puissent aussi suivre. Parce que l'agence n'est pas aussi suivie par beaucoup de vos amis. Donc en partageant, vous leur donnez aussi la latitude de suivre. Ça ne vous coûte à rien. Merci depuis la Côte d'Ivoire, ça nous fait plaisir. Big up à toi. On a eu le même problème que au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, merci. Ah oui, ça fait énormément plaisir à nos amis du Cotonou, M. Sama Arjika. C'est un plaisir pour nous de vous notre ami qui est au niveau de la Libye, merci aussi. Et je voyais aussi M. comment il s'appelle, qui est au niveau de la Belgique. Euh, depuis la Libye. Vraiment, je vous remercie pour votre fidélité. Merci pour votre fidélité. Merci. c'est un combat de deux gangsters, hein. je vous assure. Ah oui, ça c'est un combat de taille. Depuis le Maroc, je vous remercie pour votre fidélité. Le panafricaniste, merci. Samuel Abdoulaye depuis la Côte d'Ivoire, merci. Ibrahim depuis la Libye, je vous remercie. Noura depuis Tripoli, merci. J'espère que vous avez partagé pour que vos amis puissent suivre. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous servir. Et je vous assure que je le fais juste pour votre plaisir. Il y a zéro franc entre moi et la fédération, encore moins le ministère. Je fais juste ce travail pour que vous là, qui êtes loin de nous, puissiez suivre au même moment que nous qui sommes ici en face. Merci, c'est tout notre objectif. Ablaï Garo depuis la Côte d'Ivoire, merci. C'est surtout, surtout, surtout pour vous de la diaspora, en tout cas que je me suis donné ce, cette mission de vouloir venir pour diffuser ça. Parce que la plupart d'entre vous, je, me dis que vous n'avez pas l'accessibilité avec notre télémère qui disait ça. Donc par conséquent, je me dis que bon, est-ce qu'il ne serait pas mieux pour nous de venir vous servir Voilà, merci. Era depuis le Ghana, big depuis la Libye, merci. surtout, surtout, surtout continuer à partager pour que vos amis puissent suivre. Euh, depuis le Dakar, c'est qui pas idée depuis le Dakar, je vous remercie. Oumar Toukara depuis le Mali, merci. Vous êtes en train de suivre le combat entre euh, Maradi et euh, Niamey. Depuis l'Italie, je vous remercie. Ça fait énormément plaisir. Depuis Mauritanie, je vous assure que ça nous fait énormément plaisir. J'ai beaucoup d'amis à la Libye. Hein. big up à vous. Amis depuis la Côte d'Ivoire, merci. Nous sommes actuellement à 700 connectés, 700 personnes qui sont connectées. Abdurrahman depuis la Mecque, je vous remercie. Alassane depuis Niamey big up à toi. Tigani bonsoir. Depuis Tripoli, bonsoir. Abdou Sofiane merci depuis Tripoli. Bawa bonsoir. Abdul Maliki bonsoir. Omar Kamado depuis la Côte d'Ivoire merci. Ok, je vais vous chercher tout de suite la liste euh, pour euh, vous communiquer. Suivez-moi ça, s'il vous plaît. bien Niamey et Maradi, bien sûr. Vous êtes en train de suivre actuellement le combat entre Sabo Abdou de Niamey et El Abani de Maradi. Merci. Africaniste, vraiment, je, ne vois pas Bindigo, mais pour euh, ta curiosité, je vais essayer de voir s'il est, là. Je vais essayer de voir. Ça me Niamey, merci. partagé. Yacoub depuis Libye, merci. Arona depuis Niger, merci. Merci pour les encouragements. Ahmed depuis Sitakes, merci. Vous êtes en train de suivre le combat entre Sabo Abdou de Niamey et Dalabani. la ceinture rouge. Je rappelle c'est Miami qui porte le ceinture rouge. Vous Touré depuis Gabon, je vous remercie. ceinture rouge, Rachid à Niamey porte le, euh, la ceinture rouge. Après ce combat interviendra le combat entre Adam Abdou, bon, qui aura probablement choisi un autre leader de Maradi. Monsieur, depuis la Côte d'Ivoire, merci. Depuis Méné Sorois, je vous salue. Merci pour les encouragements. les encouragements, les Sabit. Hassan, merci. Abdel Non, Yacoub est en quatrième position. Boumkar Gimbe depuis la Côte d'Ivoire, merci. Depuis l'Algérie, Alain Sabit, merci. Ousmane depuis l'Algérie, merci à moment, depuis la Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, merci. Kabira Anza depuis Niamey, merci. nous c'est Tawa, non Merci depuis Toupounous, Waouh, ça fait plaisir de, de voir tous nos amis des différents contraintes du monde. Hein? Depuis Cameroun, je vous salue. Apparemment, j'ai beaucoup d'abonnés au niveau de la Côte d'Ivoire. Hein. Merci vraiment. Omarou, eh, Oumarou, Yacoub, merci, mais ce n'est pas l'IPTACO, c'est l'agence de communication le Maestro. Merci. Depuis euh, le Cameroun, Abou Karama, merci. C'est Niamey qui a le ceinture rouge. C'est lui, euh, comment il s'appelle euh, le leader savoir de Niamey qui est en rouge et celui de la bande de Maradi. Merci à tous ces 1000 personnes qui sont connectées. Depuis île Niamey, je, je vous remercie. Ousmane Nagari depuis vous merci. Merci Samuel Alio pour les encouragements. la mine depuis Niamé, je vous remercie. Soumana depuis Libye, merci. Bonsoir, monsieur Moustapha Moussa. Najib depuis Zid de la pas. Zendergo depuis Italie, merci. Adamou depuis. Euh, depuis Gabon, merci. Vous êtes en train de suivre actuellement le combat entre euh, Sabo Abdou de Niamey qui est en ceinture rouge et dans la de Maradi. Ils sont euh, évidemment tous euh, invaincus avant ce combat. merci. Mais ce combat m'a surpris. Hein. Oh, Bouben là, c'est pas bon. Non, c'est vraiment pas bon. Non, c'est pas bon. Ouh, ça, c'est pas la joie. Des vrais combattants comme ça à dire que 120... Non, c'est Non, c'est pas bon. Bouben. Hein. Oh, c'est pas la joie. Depuis Korogo, merci. Al mustaf Soumana, merci. Merci bien, Jab. Ila Dangay, merci. Depuis Tali Haroun, merci. Qui a Non, personne n'a eux, ils sont tous au euh, gouvernement appelé Boubenes. Hey c'est ça. Personne n'a terrassé l'autre. Mais il y a une réclamation qui est en cours. Et il n'y avait pas eu d'avertissement en plus. S'il y a un avertissement, c'est lui à la fin des cinq 5 minutes, Depuis la Libye, merci pour votre fidélité. Malheureusement, en c'est comme ça. Hein. Mais il y a une réclamation qui profile aux, horizons. On va attendre voir ce que dira. Après ce combat, il y aura le combat de Adamo Abdou. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va choisir. Hey, eh, le grand SG, l'ancien SG de Lyonon euh, Salah, je te, je te salue. Kayla. à toi merci. Oumara Demou, le grand frère, merci. Le grand frère euh, activiste et défenseur des droits humains. Ravi de vous voir connecté. Aboubakar depuis Cameroun, merci. Mohamed Tanko depuis Berlin, merci aussi d'être connecté. Zainabou, merci depuis Niamey. Non, c'est le troisième combat. Le premier combat a, opposé Abba Ibrahim de Niamey et Garba Ado de Maradi. C'était Abba Ibrahim de Niamey qui avait terrassé Garba, Garba Ado de Maradi. Donc nous, sommes actuellement au niveau du deuxième combat qui a opposé Sabo Abdou et Dala Abani. Malheureusement, à l'issue des cinq, des cinq premiers, cinq premiers comment combats, il y a eu deux minutes de pause. Après cette pause, ils se sont repris. Malheureusement, ils ont épuisé les, cinq, les, dernières cinq minutes. Ce qui fait qu'ils sont tous vaincus. Ce qu'on appelle communément appelé le moutouassé. En, d'autres termes, ça veut dire qu'ils sont tous vaincus. Oui. À l'issue du temps réglementaire. Oui. Ils comme, <laughs> comme dit légèrement. Mohamed Kabir depuis Niamey, merci. Merci beaucoup mon frère. Depuis Tunisie, je vous remercie Mohamed. Maman Ablaye, merci. merci pour l'encouragement. Atawel Depi madame, merci. J'espère que vous êtes en train de partager la vidéo. Partagez pour permettre à vos amis de suivre. Parce que cette page-là, c'est une page nouvelle, c'est une agence euh, nouvelle. Donc ce n'est pas tout le monde en tout cas qui est, comment elle s'appelle, qui sont abonnés. Donc il faut faire en sorte que vos amis aussi puissent être connectés, puissent abonner à cette page afin de suivre tout comme vous dès qu'il y a un événement de ce genre. Voilà, merci. On attend encore la réclamation. Merci pour les souhaits. Depuis Cotonou, la branche, je vous remercie merci. a l'âge depuis Maradi, merci beaucoup. Oui, c'est vraiment lamentable. Nous-mêmes, on a trouvé les 5 les minutes fois 2 trop petit. Il fallait laisser les gens au moins 5 minutes fois 4, peut-être 20 minutes de combat. Là, à l'issue de 20 minutes, si personne n'arrive à terrasser l'autre, on estime que bon, on ne peut rien. Mais 10 minutes de combat seulement, on est... non, c'est pas la peine. Sincèrement, il faut qu'on revoie, le... On les textes. Il y a eu beaucoup de modifications qui, qui ont un peu donné une mauvaise... Euh, top. On va écouter. Merci pour les encouragements. Depuis Libye, merci. Soy you go. Soy you go. Vous êtes en train d'écouter la réclamation de... Bon, nous allons vous amener vers le public puisque c'est l'heure de la d'une réclamation qui est en cours. Les jurys vont aller statuer. Euh. ça, c'est le public qui est là. Ibrahim Depizender, merci. Un peu policier. Le premier policier peul Je les taquine, hein, c'est ce mes cousins. Non, 20 minutes, c'est pas, c'est pas mal, mais les 10 minutes, c'est ça qui n'est pas raisonnable. 20 minutes, c'est pas mal. L'enfant béni depuis la Côte d'Ivoire, merci d'être connecté. Adamou depuis Agadez, merci. Guida Rama, Rana depuis la Côte d'Ivoire, merci d'être connecté. Surtout, surtout, surtout, surtout, il faut partager. Le groupe d'Ahassel, merci. Il faut partager, il faut partager le direct pour que vos amis aussi puissent suivre. Ne soyez pas égoïstes. Voilà l'engouement du, du grand public qui est là. Non, il n'y a pas de score, il y a une réclamation qui se profile aux horizons. Depuis mai, Issouf Mohamed, je vous remercie. Waouh, j'ai un souci de lire euh, le nom là en arabe, hein, mais merci depuis limite. Maman Bako, merci. L'animation du grand public. Délégué Esté, merci mon ami. Aaron Ismail, merci pour les encouragements. Saad depuis Libye, merci. Waouh, depuis, depuis Touré, Boubacar. Big à nos forces de défense et de sécurité qui ne ménagent aucun effort pour euh, le bon déroulement de cette 42e édition. Boukar depuis Zender, merci. al Mustada depuis Côte d'Ivoire, merci. Soleiman depuis Bénin, merci. Je suis très content de voir qu'on est plus de 1000 personnes à être là connectées. S'il y a eu 1000 partages, je pense que euh, ce serait un ouf Quelqu'un est en train de demander qu'est-ce qu'il s'est passé. Je vais vous expliquer. Il y a eu un combat de 5 minutes x 2. À l'issue des, des 5 minutes, aucun parmi les deux lutteurs n'a eu à terrasser l'autre, ce qui fait qu'ils sont tous vaincus. C'est ce qu'on appelle en nos deux langues la moto assez. Ça veut dire que tu es vaincu malgré que tu n'es pas tombé au sol. Euh, Moutou veut dire Boubéné. C'est ce qui s'est arrivé. Et il y a eu une réclamation qui se profile aux horizons. Donc euh, nous allons devoir attendre euh, la délibération des jurys qui ne tardera pas à venir. Merci. Depuis Libye, merci. J'espère que vous allez, allez continuer à partager. Oui, il ne s'agit pas seulement de, de connecter à, à tous de votre gauche qui marque partager. Donc partagez. et puis c'est le roi Belgique, je suis, très content de, vous relire. Vous venez de vous connecter, c'est c'est le Pour celui-là qui dit qu'il vient de se connecter, d'abord il y a eu le premier combat qui a opposé Abba Ibrahim de Niamey, euh, le lutteur euh, Garba Ado de maladie. Donc euh, Abba Ibrahim a terrassé, comment il s'appelle, Garba Abdou. Le deuxième combat a opposé entre Sabo Abdou et Abani. Actuellement, c'est ce combat qui, qui a été suspendu à la fin des 5 minutes x 2. Ce qui fait que les deux lutteurs sont vaincus à l'issue du temps réglementaire. Et donc il y a une réclamation. C'est cette réclamation qui profile aux horizons. On attend la délibération encore des jurys. C'est le Niger qui gagne, oui, monsieur Zekai. je peux être à côté de, de pour te le saluer, il n'y a pas de souci. Le jury Les jurys sont en, compte en concertation. Tasiu, wani je transmets ton message. Tu vois actuellement Tassu qui est devant toi en échauffement. Hmm. J'espère que tu vas continuer à lui prier. Suleiman Ayuba. Voilà. Hmm. Ton message euh, a été bien entendu. Yacoub Adamou doit être en quatrième position. Après Adamou Abdou. Ils sont là tous en échauffement. Ils sont là.